Les conséquences du gavage euh, sur la santé sont nombreuses. La première conséquence, c'est que ça entraîne une prise de poids anormale, qui fait que les femmes là qui font le gavage vont se retrouver dans une situation d'excès de poids et d'obésité. Et on sait aujourd'hui que les personnes qui sont en excès de poids sont plus exposées à certaines maladies, notamment le diabète. On sait qu'il y a une relation entre la prise de poids et le diabète. Plus la personne sera en excès de poids, plus le risque d'avoir le diabète est important également qu'il y a une relation entre l'excès de poids et les maladies cardiovasculaires. Et on sait aujourd'hui aussi qu'il y a une relation entre l'excès de poids et les troubles digestif. On sait également que de plus en plus les personnes qui sont obèses vont avoir un système immunitaire qui va être euh, plus ou moins défaillant, ce qui fait que ces personnes qui sont en excès de poids vont être plus confrontées à des maladies. Donc voilà un peu une première partie des conséquences pour les personnes qui font le gavage, c'est l'excès de poids et ses nombreuses conséquences. Maintenant, en plus de l'excès de poids, il y a d'autres conséquences qui sont liées à l'utilisation de certains produits. Parce que quand vous prenez euh, dans le cadre du gavage, les produits qui sont utilisés, c'est souvent des en fait, c'est un effet détourné parce qu'en temps normal, pour euh, le traitement de l'asthme, on utilise des corticoïdes et ces corticoïdes-là ont tendance à faire qu'on a, notamment lorsque quelqu'un est asthmatique et qu'il prend ces produits-là, il a tendance à avoir du poids, il a tendance à avoir des joues, des joues gonflées. Donc, c'est effet détourné que les femmes vont utiliser en prenant ces corticoïdes. Et on sait que malheureusement, la pose de corticoïdes n'est pas sans, sans conséquences et les conséquences naturellement, c'est que au moment où on va avoir besoin de corticoïdes pour traiter une maladie particulière, puisqu'on est habitué à prendre des corticoïdes simplement pour, pour prendre du poids, donc naturellement les effets ne vont pas, ne vont pas se manifester, sans compter que naturellement les corticoïdes ne sont pas des produits, sont, sont des médicaments et l'utilisation d'un médicament, quel que soit ce médicament-là, l'utilisation de ce médicament peut prêter à, à conséquence.